Bonjour chers amis, c'est votre frère, votre euh, connaissance ou certainement un homme que vous découvrez, Massamba Gueye, qui vous parle du Sénégal. Le coronavirus Covid-19 tue. C'est une maladie mortelle. Elle est dangereuse, elle fait des ravages. Elle a tué des gens célèbres, elle a tué des hommes d'État, elle tue des anonymes. Cette maladie est un danger. Il n'y a que la prévention aujourd'hui qui puisse nous sauver. Ici au Sénégal, il n'y a que des directives venant des médecins qu'il faut suivre. Toute autre directive ne nous sauvera pas. Nous devons être responsables. Être responsable, c'est répondre à l'appel des médecins. Car tous les jours, nous allons les voir pour qu'ils nous soignent. Tout de suite, si une crise nous prend, nous allons les voir. Respectons les avis des médecins. Respectons les avis des médecins. Respectons les avis des médecins. Les gestes barrières sont là. Ils nous ont interdit de nous retrouver dans les mosquées, mais Dieu est dans les cœurs. Ils nous ont interdit de nous retrouver dans les églises, mais Dieu est dans les cœurs. La prière est en nous. Il a des moments où les baptêmes sont des dangers, parce que ce sont des regroupements, où les mariages sont des dangers, ce sont des regroupements. Nous sommes à un moment crucial où nous ne devons pas exposer ce pays, nous ne devons pas exposer ce continent, nous ne devons pas exposer le monde. Soyons responsables. Être responsable, c'est suivre les directives des médecins. Il n'y a que qui nous soignent, qui soignent, qui soignent nos guides religieux, qui soignent nos autorités politiques. Quand nous sommes malades, nous allons les voir. Quand nos guides religieux sont malades, ils vont voir les médecins. Quand nos hommes politiques sont malades, ils vont voir les médecins. Ils sont le point de convergence de la santé. C'est Dieu qui leur a donné cette science. Acceptons-le. Le coronavirus est dangereux. La prévention, se laver les mains, éviter d'être ensemble, garder la distance nécessaire, ce sont des gestes qui peuvent déjà sauver. Aseptiser tout ce qu'il faut aseptiser. Je vous remercie. Salam alaikum yi sen wolere sen xarit sen domou ndey sen domou baye Massamba Gueye moom mooy ak yeen ndax jamono daf ko laaj coronavirus mi ngi nit ñi Covid 19 lañ koy tuddé moy ray nit ñi. mi ngi woppaloo ay nit tëral leen ba seen njaboot jotatuñ si ñoom quartier bu mu dugg kenn dootu fa ñemee jaar mbedd mu mu dugg kenn dootu fa ñemee taxaw coronavirus day rey rey na ci àdduna bi te mi ngi biir Sénégal li ñu ci mën a génnee nag mooy li nu docteur yi di wax ñu jëfe ko ku fi wopp ci docteur nga jëm ngay kilifa diine ngay kilifa aada ngay kilifa politique ngay président ngay nit kuy dem ci sa jubbu bopp ñu ñëpp ci ñoom la ñuy mujj liñ ñu digal nañ ko jëfe ndigalu docteur ci wopp jëfe mbas mii nag ginnaaw ñaan yi li mu amee solo nanu xam ne li ëpp solo lépp mooy ñu toppatoo sunu wér-gu-yaram bañ a saafonte bañ a dajaloo muy dajaloob julli muy dajaloob liggéey muy dajaloob ngénte muy église muy juma muy grand place muy penc nanu ko ba ba mbas mi romb ñu dellu fa kon mbokk yi coronavirus wopp la wopp benn ndigal ci wara a jib muy ndigalu docteur te ndigalu docteur jëfe ku ko defut nag bu ëllëgee bu musiba amee xamal ne sa loxo nga ci biir jërëjëf mbokk yi. VIPinfo.net. VIPinfo.net. VIPinfo.net. Votre nouveau portail pour découvrir toute l'actualité VIP partout dans le monde. En politique, économique, culture, santé, sport, religion, faits divers, musique, people. Confiez vos reportages et événements à VIPinfo.net, le number one des grands événements. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store et rejoignez-nous sur Facebook en mettant juste VIP Info et YouTube VIP TV. Pour vos pubs, appelez-nous. Plus besoin d'avoir des soucis sur l'actualité qui se passe all around the world. Votre site généraliste est enfin arrivé. Ici, l'actualité est VIP.